Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information. Cela dit, le Niger accueille depuis ce matin au centre de conférence internationale Mohamed Gandhi le monde musulman pour la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI et c'est le président de la République Issoufou Mahamadou, qui a présidé la dite rencontre. Détail Ali Assami et Moumouni Abdouhaman. Pérou contre le terrorisme pour la paix et le développement. C'est le thème sur lequel s'est ouverte cette 47e session de la conférence des ministres des Affaires étrangères des 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Cet événement si important que le Niger accueille pour la deuxième fois après 32 ans de l'histoire de l'OCI. À l'ordre du jour de cette rencontre, plusieurs sujets de questions d'intérêt pour le monde islamique relatifs notamment à la lutte contre le terrorisme l'extrême l'extrémisme violent, la diffamation des religions, etc. Après la présidence de la 46e session par les Émirats arabes unis, l'honneur revient au Niger de présider cette instance durant le mandat prochain. Le ministre des Affaires étrangères nigérien a donc saisi l'occasion pour revenir sur l'importance du thème retenu pour la circonstance. rencontre de mai à au Bangladesh, de avril 2019 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, ont été marqués par d'intenses débats sur les situations de crise au sein de la communauté islamique. Le contexte international imposait ces débats. L'exacerbation des conflits internes et intra-océaniques, comme en Palestine, en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen, dans le Jammu et au Haut-Karabakh, au Sahel, dans le passage de la Tchad et la corne de l'Afrique, etc., absorber l'essentiel de notre temps et de nos ressources, tout en constituant jusqu'à un passé récent des points d'instabilité. Cependant, défi encourageant pour un retour progressif de la paix sont de plus en plus perceptibles. Nous voudrons ainsi saluer les cessez-le-feu intervenant au Yémen, en Libye, en Syrie, en Afghanistan et en Irak. Conscient du fait qu'aucun pays ne peut gagner seul la guerre contre un ennemi transnational, les pays membres de l'OCI se sont constitués en groupe pour réaffirmer leur engagement tout au long de la lutte. Pour le groupe africain, c'est la ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui prononce le discours. La tenue de notre session en présentiel dans un contexte de pandémie de la COVID-19 traduit notre engagement collectif à faire face au défi du monde islamique. Justement, cette pandémie qui a exposé notre vulnérabilité collective nous dicte plus de solidarité et de coopération au sein de l'espace intra-islamique et même au-delà. Aussi, en plus de la priorité à la question du développement socio-économique, en particulier au profit des pays les moins avancés, notre organisation doit s'impliquer en vue d'un accès à tous aux potentiels vaccins et traitements contre la COVID-19. En pareille occasion, je me réjouis des efforts de l'Afrique, notre continent, qui a démontré toute sa résilience face à cette pandémie pour faire face aux différents défis du monde musulman. Des efforts de redynamisation de la coopération internationale doivent être intensifiés, à notifier le président de la République du Niger, euh, prononçant le discours d'ouverture, il n'a pas manqué de prendre exemple sur quelques versets coraniques. L'organisation de la coopération islamique est une organisation chère à mon pays, le Niger, qui en est un membre actif depuis sa création le 25 septembre 1969. Le contact euh, du Niger avec euh, l'islam est très ancien. Il date de l'an 666 avec Kotba de Nafi. Le peuple nigérien est donc profondément attaché à ses valeurs, celle euh, d'une religion monothéiste par excellence, qui ne connaît qu'un seul Dieu, un Dieu sans associé celle d'une religion résolument universelle, dont le message universel est adressé à toute l'humanité. Que ce soit dans le du Coran ou la le message met l'accent notamment sur la dignité, sur la paix, sur la patience et l'endurance, sur la fraternité, sur l'égalité, sur la justice, sur la solidarité, sur la tolérance et la modération. Si je voulais rappeler certaines valeurs de l'islam, et ce que doivent être les vertus du croyant, c'est bien parce que je pense que cela est utile. Dans l'examen du thème de notre 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de notre organisation, je cite, unie contre le terrorisme, pour la paix et le développement. Ce rappel montre que le terrorisme qui utilisent des beaucoup humaines, des kamikazes, alors que le suicide est interdit à l'islam, qui tue, torture, viole, séquestre, pille, détruit les biens, n'a rien à voir avec l'islam. La vie est un don de Dieu. Ce don doit être garanti à tout homme durant les deux jours que dureront les travaux, les ministres des Affaires étrangères auront à débattre de plusieurs sujets humanitaires et économiques afin de trouver des solutions à même de permettre de relever les différents défis sécuritaires et humanitaires auxquels sont confrontés les États sahéliens membres de l'OCI. Il faudrait aussi noter que pour ce présent mandat, c'est le ministère nigérien des Affaires étrangères qui présidera cette instance au nom du Niger. Les participants auront également à élire un nouveau secrétaire général l'issue de cette rencontre. Nous continuons cette édition avec ce communiqué de presse. La coordination nationale de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN a appris avec une grande consternation la disparition de l'ancien président de la République, son Excellence Benjamin Madou, président d'honneur du parti MNCD Nassara le 23 novembre 2020. En cette douloureuse circonstance, le coordonnateur national de la mouvance adresse au nom du président de la conférence des leaders de la MRN, de la coordination nationale de la mouvance, de tous les militants et militantes de la MRN, ses condoléances les plus attristées. Au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à la famille de l'illustre disparu, à ses parents, amis et connaissances, et à tous les militants de son parti la nation nigérienne toute entière. Puisse Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel. Que son âme repose en paix. Amen. Débuté ce 21 novembre les travaux de la première édition de la Semaine des paysans du Niger a pris fin aujourd'hui et plusieurs recommandations ont été formulées par les participants avant la clôture de ses activités. Compte rendu, plus de précision dans ce reportage. Cette cérémonie marque la fin des travaux de la Semaine des paysans du Niger, initiée par la plateforme et Karkara dans la région de Dosso. C'était l'occasion pour les participants de débattre sur plusieurs questions agroécologiques de la vie des paysans. Présent pour la circonstance, le maire de Birmingham a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à accompagner cette initiative. L'événement qui nous réunit ici a été marqué par une série de débats et exposés sur des thématiques chères au monde paysan, dont entre autres changement climatique, agroécologie et le financement du secteur agro pastoral et halieutique. La réforme foncière et ses implications la réforme du secteur des engrais et ses implications, la politique sémantienne, la décennie de l'agriculture familiale. L'État a consenti des immenses efforts dans le cadre de l'initiative 3M. Faut-il le rappeler la Maison du Paysan offre des services d'appui aux producteurs et aux entreprises agricoles de manière à soutenir leurs efforts d'augmentation de production. Selon le président de la plateforme paysanne, une attention particulière doit être accordée à la problématique du paysage rural. Nous avons fait le tour du Niger pour qu'on puisse regarder ce qui a été réalisé de 2016 à 2020. Et nous avons apprécié à juste valeur ce qui a été réalisé. Nous avons relevé des, des insuffisances et nous avons fait des propositions à l'État pour améliorer le programme qui va être élaboré avec le nouveau président. Nous avons aussi, euh, cette semaine, fait des expositions pour montrer la richesse de notre terroir, parce que de faire vivre la maison du paysan. C'est pour cela que nous avons amené les produits que nous avons pour voir qu'une fois qu'on a un petit soutien, ces produits peuvent être disponibles au niveau de la maison du paysan. Mais nous avons fait mieux, monsieur le secrétaire général. Nous avons fait venir Zeyna. Zeyna qui a accepté de venir avec nous pour ouvrir l'agence de Margou, mais qui est disposée aussi à ouvrir des agences au niveau des sièges de nos groupements, de nos fédérations. Voilà les leaders que nous pensons qu'ils pourront pour aller vers le développement de notre pays. À l'issue des travaux de cette semaine, les participants ont formulé leurs recommandations. Suite aux communications et échanges, les participants ont formulé les principales recommandations suivantes à l'endroit de l'État, que les collectivités locales impliquent davantage les organisations paysannes, les services techniques ainsi que les, préfectures dans le ciblage des zones et bénéficiaires des actions de projets et programmes. Mieux outiller les juges magistrats sur les textes régissant le foncier et l'usère pour sécuriser les producteurs, accélérer le processus d'adoption de la politique foncière, élargir la zone d'intervention du projet Paris aux quatre régions restantes, à savoir Maradi, Zender, Bifa et Miami. Les participants à la semaine du paysan première édition exhorte l'État à accroître le financement alloué au secteur agro pastoral et halieutique, à plus d'implication et de responsabilisation des exploitations familiales et de leurs organisations dans les projets et programmes de développement du secteur tout en respectant les engagements pris à Maputo d'accorder 10% du budget national au financement du secteur. Les forestiers doivent respecter et appliquer la législation en vigueur pour la protection de l'environnement. Renforcer les dispositifs d'encadrement des producteurs de veille et de réponse aux risques liés aux aléas climatiques. Mettre à l'échelle les innovations en matière de transformation de Moringa pour prendre en charge la question nutritionnelle permettre aux producteurs l'accès facile aux semences améliorées susceptibles de boucler leur cycle avant la fin de la saison. Tirer profit de l'exploitation des eaux disponibles à travers la promotion de l'irrigation des cultures, de crues, de l'aquaculture, de la promotion de la culture du riz hors aménagement. Allouer les ressources conséquentes à l'IMRAN et leur doter de matériel moderne de recherche en vue de booster le secteur agro-silvopastoral. pastoral ainsi donc, on prit fin les travaux de la première édition de la Semaine du paysan du Niger organisée par la plateforme et Karkara de la région de Dosso. Sur une note de satisfaction générale et d'espoir pour une amélioration de la vie des paysans du Niger. L'Union des étudiants de l'Université Abdoumouni de Niamey se sont réunis hier soir à la place AV pour discuter de la situation socio-académique qui prévaut au sein de l'université Abdou Moumouni. Ils ont rendu une déclaration dont je vous propose de suivre un extrait. Le comité exécutif de l'UNU interpelle une fois de plus le gouvernement de la 7e République que sur le plan académique, les étudiants font face à des années académiques sans début ni fin. Au chevauchement d'années et de semestres s'ajoute l'insuffisance criarde des infrastructures qui impose à nos camarades à suivre les cours sur les fenêtres, quelquefois à six le sol. Au regard de cette situation alarmante, assez connue des autorités au plus haut sommet de l'État, le comité exécutif de l'ONU rappelle au gouvernement pour une dernière fois les engagements qu'il a pris sur la satisfaction desquels l'Union n'entend pas transiger. Il s'agit entre autres au plan académique, la révision de la réforme suicidaire est en contradiction flagrante avec les principes cardinaux, du LMD, aux besoins desquels elle est pourtant censée répondre. Cette réforme engagée unilatéralement par le gouvernement à travers le MESRI ne fera que resserrer le goulot du retard académique déjà tyrannique l'équipement du fameux amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences et techniques qui a fait déjà un an d'existence inutile par faute d'équipement dans une université où les camarades prennent le cours à même le sort. Le lancement des travaux de construction de l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des lettres et sciences humaines qui regorge environ 10 000 étudiants pour un total de trois amphithéâtres dont le plus grand a une capacité d'accueil de moins de 400 places. A noter que la L1 fait à elle seule environ 3 000 étudiants, auxquels vont bientôt s'ajouter environ 4 000 nouvellement venus. La mise en position de stage de nos camarades de mines et pétrole, où actuellement trois promotions de licence et trois promotions de master sont délibérément bloquées depuis bientôt trois ans par la CNPC, Agadem et SORAS, La finalisation des salles en construction à l'école normale supérieure au vu du besoin pressant. Le Niger se prépare à accueillir parmi ses institutions une prestigieuse académie des sciences. Les réflexions sont actuellement en cours au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur via la Direction générale de la recherche et de l'innovation. La contribution de cette académie dans le champ disciplinaire scientifique et dans l'élaboration de politiques publiques dans le domaine scientifique sera d'une grande portée sur le directeur général de la DGRI, le professeur Aria Moussa. Détail dans cette interview de Studio Calambo. La création de l'Académie des sciences et de volonté était là depuis euh, un certain nombre d'années, surtout que les académies euh, des sciences à travers le monde, c'est des institutions euh, qui datent euh, de plusieurs siècles déjà. Et donc, euh, le Niger ne pouvant pas faire exception à la création de cette autorité scientifique de grande notoriété, ça une l'histoire et les premières démarches ont été faites au moins de façon plus ou moins connue de cela. À la fin de l'atelier, on a mis en place un directoire euh, qui sera chargé de réfléchir euh, et identifier les voies et moyens possibles pour euh, la création de tous les processus jusqu'à la mise en place définitive de cette académie. C'est une institution qui a appelé à apporter de l'appui conseil, que ce soit les pouvoirs publics ou les institutions privées, de façon à avoir une bonne vision, une vision exacte, euh, avec une démarche méthodologique rigoureusement scientifique, de façon à cerner les grandes questions, les questions d'actualité, ou en tout cas toute thématique qui s'inscrirait dans le cadre scientifique au bénéfice des sociétés. C'est une instance où euh, la réflexion sera menée euh, soit à la demande des pouvoirs publics, soit à, titre personnel pour se pencher sur une question qui peut être euh, considéré comme étant une préoccupation sociétale. Euh, donc euh, l'Académie peut se saisir d'elle-même pour fournir ou en tout cas produire des réflexions qui seraient à la, mises à la disposition de la société de façon générale. dans le cadre des élections générales à venir, les, électeurs ont jusqu'au 7 décembre 2020 pour retirer chez les chefs de quartier ou dans les centres d'enrôlement leur carte de vote. C'est le cas des habitants du quartier Bobiel à Niamey dans cet élément de studio Calambo. J'ai eu ma carte. Hier, j'ai passé, c'est aujourd'hui que j'ai pu récupérer ça. Inch'Allah, je vais voter. En tant que citoyenne, je dois accomplir mes devoirs de citoyenneté. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Et maintenant, quels sont vos euh, à la Bon, mon souhait, c'est qu'il soit à l'écoute des pauvres. La femme, elle doit être respectée. Qu'il respecte la femme. Le respect le droit de la femme par rapport à tout, par rapport à l'égalité euh, de, salaire, égalité dans, dans, la, gestion de l'administration. Tout ça, il prend ça en compte. Parce qu'actuellement, nous sommes plus nombreuses que les hommes. Donc, euh, on n'a pas essayer de voir de zaɓe lahiya an zaɓa mana shi ne shugaba ina son shugaba da zai mana aiki tsakani da allah allah wanda zai so talakawa zai musu abinda duka suke so Thank you.